di wax rek na saison bi commencé na jël nañ ay dispositions yoo xam ne peut-être mën na couvrir saison bi parce que li ñuy gën a jooytu la violence bi nga Mais ne mi ngi ci partout ci sport yeeg ci làmb yi di jéem a sensibiliser ñi nga xam ne population parcelle parce que dama gëm ne war nañ fi mën a développer football ba mu jeex te du am coow ndax yag gi ñu ak dëkkandoo bi ñu nekk kon xiiroo ŋaayoo franchement paré war nañ ko éviter fi au niveau de Parcelles Assainies bon jël nañ ay initiative nak ba wut fi ay certaines stagiaires yo xamné dafa joggé ci niveau au niveau des AIC bon di wax rek di xol comment nuy organiser avec la police avec le Croix-Rouge sapeur avec tout le monde dal ñuy tok di réunion di xol lan mo manqué ak lan mo dess ci stade bi ñukoy compléter waaw parce que jël nañ ci toute disposition par rapport au niveau de la police parce que wax dëgg yalla nawetaan mën na jeex ba match commencé tang ba jeex waaye bu jeexee ci biti gars yi dañu war a ñibbi au calme waaye finalement dañuy gis ay ful yoo xam ne ñoom sax football taxu leen jóg dañuy xaar ba nawetaan bi commencé ful bu génn rek ñu commencé def seen ñaawteef.

gis nañ ne stade bi lu koy yàq ay ñaaw def ko tu ñaawteef am na ci ci partout nag la am waaye nag ñun dañ éviter ba nga xam ne loolu yëpp nit ñi war nañ fubal ci jàmm ak salaam ba du am benn incident boo xam ne askanu parcelle ñu ngi koy jànkontrer souvent nag dañuy wax ci ASC yi waa tamit dañ leen di maîtriser parce que souvent amoon na fi sax benn yëngu-yëngu côté bii ci ay werante xale diggante onze

ñaan euh, que cette année-ci mu donne euh, nawetaan sans violence que ñu yéeg commencé ko ci jàmm le ko ci hier euh, on a noté quelques petits incidents yoo xam peut-être que mënut a mais di ñaan rek match yi ci nous ñu entamé ko ci jàmm yeggale ko ci jàmm jusqu'en finale tout en sachant que ne tey comme nous ñu koy waxee rek par coupe bi génnul parcelle parce que boo ren on a eu deux on a quelques ASC venant de la zone 8 c'est nous case bi euh, Aspa Amon, mais nous xolé ñoo ñep tey parcelle ay équipe donc c'est nous dans nous dans la sportivité nous daal dire que le meilleur gagne tout en sachant que fait la rek fo la rek ñu xamné fo quel que soit l'investissement qu'on puisse faire mais ñu xamné rek fo au finish ben équipe moo koy jël nous avons, nous avons quand on avait fait passer les billets de 500 à 1000 francs, ça avait provoqué quelques tollés au niveau des supporters au niveau des dirigeants des ASC dans à ah, ticket 1000 francs de dafa de mais bi code part yi gagné, vraiment nous avons tous ku ci nekk tey rafetlu nga ko tey des codes parts à hauteur de 300 000 400 000 là ce sont des codes parts qu'on veut voir au niveau de la au niveau de la zone zone 3 zone 4B Nous, nga daan fu football, ñoo daan football, 400 000 et 300 000 C'est facile, bu ñu ba vraiment tay dañu ne ko yokul duñ ko wañi tay dinañ on serre la ceinture au niveau des dépenses organisationnelles des matchs dañuy fexé tout tout tout ba diminuer les dépenses pour que recette net bi nga xamné mom moom ngay séddale ASC yi soit une somme euh, considérable pour que ASC yi gis seen parce que tout en sachant que même tay bo ci joxé ASC 500000 ou voire plus en quote-part tey am ci ASC yo xamné tay dañuy match derby yo xamné ne presque dañ ciy dépasser un million donc xeyna na mais dina leen permettre loolu tay mu réduire sen dépenses mais des fois même ça peut même pas couvrir les dépenses yi nga xamné AIC ASC dañ koy def. Euh, nawetaan moom c'est du social nawetaan c'est du social bo xolé par rapport ak euh, les bénévoles yi nga xamné ne dañ leen di jël ñu doon ay borom kër ñuy ñëw di liggéey ci fii di daal di am luñ ñu fiy jëlee di yóbbu seen njaboot jaaykat yi ñëw di jaay di dem mais parmi au-delà même des délégués qui sont là tey fii nii au niveau des parcelles pour tous les gens qui sont dans le milieu sportif ku ci nekk tey ñu fii nii au niveau de la zone si les moyens nous, le permettent ku ci si la zone peut intervenir da intervenir et ça aussi c'est pour les parcellois Vous du bu pour notre fonctionnement les loo ne tey fi am rek dañ donc si on a on si la zone est sollicitée le président est sollicité il ordonne si l'argent est là nous delloowaat ko ci population parce que ce qu'on organise c'est pour les parcellois. voilà vous l'avez dit sans violence. En tout cas, ça va être euh, l'objectif cette année. Jouer toute la saison sans qu'il y ait des violences. Euh, nous tous nous avons constaté que le Naïtan, en ce moment, il y a des trucs de violence. Donc, nous devons rehausser fair play. Et pour cela, la zone UP a beaucoup pris des dispositions, notamment des stadiers. Cette année, toutes les ASC, il à a deux, deux membres de ton ASC, nous construisons le groupe des stagiaires Nous avons gis noonu ci biti ñu sol seen tenue donc nous sommes au premier plan ci supporters yi parce que nous avons avant que le service euh, d'ordre bi di intervenir ou pas mais tout ça avec la zone 8 B ben, nous avons l'habitude parce qu'à un moment donné où la zone A n'existait pas Nous avons eu ASC zone A zone dañ Nous ay 23 ASC et nous avons terminé à temps l'année dernière nous avons woon incident bu am ñu presque un mois à wuñu dañ doon terminer même avant l'ouverture de l'année scolaire cette année nous dañ koy def objectif euh, fexé mu jeex avant euh, avant début euh, octobre comme ça élèves yi mën dem on a démarré on a l'habitude de de l'organisation des compétitions et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu yalla nañ ci yalla mën nañ dimbali. nous n'avons pas encore trouvé d'accord parce que dans la réalité nous n'avons pas encore rencontré le maire. Euh, il avait voyagé euh, il est revenu de près que sur sur le tour bi di par rapport mais pour le moment la tribune n'est pas encore mise euh, à la disposition du c'est compliqué c'est compliqué ce que les gens ne savent pas moi je connais. les quotes-parts c'est l'argent qui reste après l'organisation en réalité dans les RG les gens parlent de frais d'organisation on met en vente des tickets pour pouvoir atténuer l'organisation. Maintenant, si l'argent reste, nous avons une partie de de moins 7%. Ensuite, 75% de d'estamit, c'est de l'éco Donc, nous avons demain. Donc, chaque fois que nous avons une recette nette, on prend les 75% de asa Donc, ce n'est pas nous, nous faire pour ou mais c'est le stade qui produit les codes parts. Donc, recette nette, vous gagnez 75%. Si ça donne 400 000, c'est ça. Si ça donne 200 000, c'est ça.

Nous avons ça on fait on a organisé aussi des tournois de vétérans mais mais les finales en général aussi on a organisé des matchs c'est les vétérans on a fait beaucoup de choses dans ce sens et cette année-ci comme c'est la belle on va organiser su tournois vétérans vétéran. mais fait que le temps aussi ne le permet pas nous allons prendre des équipes vétérans des sélections bu baax pour les faire en finale ils vont jouer la première partie. Mais de satisfaction euh, à un an de la, de fin du, deuxième mandat, parce qu'en réalité, par rapport à la zone ici, il n'y a que deux présidents qui ont eu deux mandats. Le président Moussassi, le maire, l'ex-maire, le maire, le, PCA. En dehors de lui, il n'y a que moi. tous les autres, d'ailleurs, ben mandat, ensuite nous dem. Nous, nous, avons fait deux mandats. 2017 là a commencé. 2024, euh, cette année, moi, la dernière euh, année, deuxième mandat. Et l'objectif qu'on s'était fixé au départ, c'était, parce que je me rappelle, l'Assemblée générale s'était tenue ici, au niveau de, l'hôtel d'en face. L'objectif premier, c'était de se remémorer les gens qui étaient avec nous et qui y allaient le Deuxième objectif, c'est se battre, lutter pour qu'on ait un stade fonctionnel pour jouer. Troisième objectif, c'est ce demander les les a demandé. moi a 14 ans amul une équipe boo xam ne phase départementale jël fa coupe bi ñu ñëwee na ci demande yi le doon def yàlla dimbali ñu aussi tamit suñu première année la ASC Jant bi jël euh, final coupe départementale jël coupe régionale boobu ba léegi ASC guy gi topp ci ak yeneen ASC donc vraiment c'est des c'est des c'est c'est une satisfaction. Bé a a traversé beaucoup d'épreuves contre, je me rappelle ici bi ñuy doon commencé fii suuf su bëri la woon ay cordes lañ doon tendre avec les coachs Malan et autres. Pour pour football fi Paco que linga linga linga vraiment ñeneen ni bokk nañ ci li tax euh, et c'est le lieu c'est le moment de vous remercier vous tous en réalité nous avons traversé épreuve yu nous avons dû combattre ferme fort pour suñu stade ñu am stade et pour ça il y a eu des marches il y a eu des arrestations il y a beaucoup de choses aujourd'hui nous nga doon joué final ba 18 300 côte part nga yóbbaale ko cette année est passé l'ASC c'est nga xam de moo jël coupe presque en tout beaucoup de boolee quote-part yi a am 3 millions 700 voire 3 millions 800 à la finale en dehors de du côté part 500 000 du ko commission des finances on lui a remis 1 million plus des jeux de maillot plus euh, les trophées et autres donc vraiment satisfaction satisfaction vraiment à un an de la fin du mandat